forum du le forum du studio le forum du studio Calam. le forum du studio le forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Seni Ayubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des 31 radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Notre page Facebook Studio Kalangou notre site internet www.studiocalangou.org. Le forum de ce soir aborde la question de la stérilité dans les couples. Le corps médical considère généralement un couple comme stérile quand, après deux ans de rapports sexuels réguliers, ce couple n'a pas d'enfant. Dans le monde, un couple sur sept est touché par la stérilité. Dans 30 à 50 des cas, le problème vient de l'infertilité masculine seulement. Dans 30 des cas, le problème vient de la femme. Dans 30 des cas, le problème vient des deux personnes et dans 10 des cas, il n'y a pas de problème physique qui empêche la fécondation. Selon un article publié en 2016 par le site du journal Le Monde Afrique, en Afrique, les taux d'infertilité sont les plus élevés du monde. Entre 15% et 30% des couples seraient touchés entre 5% à 10% en Europe. Et c'est en Afrique que les traitements sont les plus rares. Seuls 1% des 5 millions d'enfants nés par fécondation in vitro depuis la mise au point de la technique sont africains. L'infertilité, la possible stérilité d'un couple est un problème qui touche donc à tous les pays du monde, de toutes les classes sociales, autant la femme que l'homme. Pourtant, dans certains pays comme le Niger, une femme se doit de donner des héritiers à son mari sous peine d'être jugée sévèrement par la société. Dans ce forum, avec nos invités, nous allons échanger autour des facteurs de la stérilité, les traitements ainsi que l'impact socio-culturel de cette problématique sur la vie des hommes et des femmes qui vivent cette situation. Pour discuter de cette thématique, nos invités dans ce studio, professeur Idina Fiou, gynécologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Aïcha Maki, auteur du film documentaire Arbre sans fruits, sorti en 2016. 16. Aïcha, bonsoir. Bonsoir. Et le prédicateur Oustaz Khaled Oustaz Khaled bonsoir. Bonsoir. Assalamu alaikum. Mesdames, Messieurs, bienvenue au forum du studio Kalangou. Professeur Idina quels sont les facteurs liés à la stérilité ou à l'infertilité La stérilité, c'est l'impossibilité quasi totale d'avoir une procréation avant, enfin, oui. de reproduire. Mais l'infertilité a plusieurs facteurs. Hein. Ok, la difficulté dans un couple d'avoir un enfant. Un, couple hétérosexuel, naturellement, par hein, pas le couple actuel dont on parle <laughs> ailleurs. oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc les facteurs sont, sont multiples. Ça peut être environnemental, ça peut être la nutrition, ça peut être, comme j'ai dit, congénitaux, comme ça peut être facteur acquis. Un couple peut avoir à reproduire, après, à la suite, avoir difficulté à reproduire. Donc, il y a plusieurs, ce qu'on appelle là. L'infertilité primaire, c'est qu'on n'a jamais eu à reproduire quoi que ce soit. Secondaire, c'est qu'il y a eu une reproduction avant et puis ça s'est arrêté. Ou en tout cas, euh, euh, ça n'aboutit pas à un individu tout à fait formel avec une naissance normale. Il faut qu'on attende, il faut qu'on s'entende dans, ces On peut détailler les facteurs <coughs> environnementaux Dit l'environnement, bon, ça peut être l'environnement physique, hein, et puis aussi ça peut être l'environnement psychologique. Il y a plusieurs cas donc euh, on ne peut pas voir tous les facteurs euh, tout de suite. les facteurs environnementaux, ça peut être euh, lié soit à une radiation, dans un environnement où il émet des radiations, que ce soit ultrasons, que ce soit euh, comment dire, les rayonnements radio, radioactifs, n'est-ce pas Ça peut être source de chaleur, euh, ça peut être euh, un excès de, de toxiques. Hein. On peut être dans un cadre d'activité où on a pas mal de, de, toxiques. Et ça peut être aussi euh, plusieurs éléments qui peuvent rentrer en compte. On ne peut pas tout citer. Mais voilà donc en gros ce que je dis. Ça peut être alimentaire. Hein? Ça peut être alimentaire aussi. Hein? L'alimentaire, on sent entrer dans le détail. Donc il y a des aliments qui peuvent euh, agir sur la, sur la reproduction, la reproduction humaine. On ne peut pas tout détailler, mais on sait qu'il y a des activités, dans le cas de l'alimentation, qui peuvent euh, en tout cas contrecarrer la, la, reproduction. D'accord. Les facteurs <coughs> sont-ils identiques chez les femmes et que chez les hommes Il peut y avoir des facteurs communs, comme il peut y avoir des facteurs individuel. Chez l'homme, évidemment, euh, le principal euh, facteur, ça peut être lié euh, à l'organe hein, lui-même, ok, n'est-ce pas L'organe euh, dissexuel, pas qui peut avoir une anomalie physique ou bien fonctionnelle. Hein. Fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas reproduire la cellule dite reproductive, la cellule, le spermatozoïde. D'accord. Il peut en, en produire qui peuvent être de mauvaise qualité. Il peut en produire un nombre insuffisant n'est pas en produit du tout. Ou bien il peut en produire, mais il n'arrive pas à les extérioriser, ils sont bloqués ailleurs parce que dans le canal qui les achemine, il doit y avoir un obstacle. N'est-ce pas La personne peut avoir des difficultés à avoir des rapports sexuels, donc ça, c'est un facteur. Il peut y avoir des phénomènes infectieux, les organes, les, les spermatozoïdes là, les spermes sont là, mais il est infecté, donc il peut y avoir des difficultés à, à cela. Ils peuvent être reproduits, mais ils sont de mauvaise qualité, ils sont mal formés, entre guillemets les Il faut avoir une norme, il faut qu'ils soient bien normaux pour aller féconder un mm. ovocyte. Ça, c'est du côté de, l'homme. Du côté de la femme, c'est aussi les facteurs peuvent être liés à l'organe. Les ovaires qui en produisent peuvent ne pas en produire. Ils peuvent être bloqués dans la reproduction parce qu'il peut y avoir des phénomènes qui vont entre contrecarrer la reproduction ou bien les empêcher ou bien des phénomènes qui sont nécessaires à ce que les ovaires fonctionnent et ça bloque. C'est pareil pour l'homme aussi. Hein. Donc, il y a des, contrôles, comme on dit, c'est au niveau du cerveau, ils envoient des signaux qui stimulent depuis la reproduction, depuis la puberté et pendant la période de la reproduction. C'est en ce moment que tous ces organes sont liés à la fonction d'une partie du cerveau qui envoie des hormones pour stimuler. Et s'il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de production des de cellules reproductives, y compris chez la femme, y compris chez l'homme. Malheureusement, chez la femme, c'est elle le plus souvent qu'on indexe, c'est elle qui vient souvent qu'on voit en consultation. Euh, c'est chez elle souvent qu'on détecte la difficulté d'avoir la reproduction dans le couple. D'accord, on reviendra sur cette question dans un instant. Ici, une femme est un arbre à l'ombre duquel se repose son époux, à qui elle donne ses fruits. Moi, je suis un arbre sans fruits. Propos de la lauréate du African Movie Academy Award dans la catégorie meilleur documentaire L'arbre sans fruit de Aïcha Maki. Que voulez-vous dire, Aïcha L'arbre sans fruit, c'est tout à fait la symbolique d'une femme qui n'arrive pas à donner la vie. Et c'est comme l'a dit euh, le professeur, qui est l'expert quand même à la matière. Moi, j'ai tout simplement voulu mettre euh, en image un certain nombre de témoignages des femmes que j'avais croisées lorsque je parcourais les cabinets, les différentes cliniques de la place pour un désir de maternité. Et l'arbre sans fruits, en fait, c'est, comme je le dis, la symbolique de la femme qui n'a pas d'enfant. Et c'est parti d'un parallélisme entre l'histoire de ma mère, qui elle, elle est morte en donnant cette vie-là, et mon histoire d'une femme qui était mariée pendant 5 ans et qui ne parvenait pas à donner la vie. C'est le lieu de corriger parce que souvent les gens comprennent mal le contenu du film qui n'est pas porté sur des femmes qui sont stériles. Parce que comme il l'a dit, il y a une certaine nuance, en fait. C'est quand il y a des examens médicaux qui attestent formellement qu'il n'y a plus possibilité, alors que mon cas, c'est sur des femmes présumées infécondes, parce que mm. pour la plupart de ces femmes-là, c'est des femmes à 80% qui ont fait des examens qui n'ont aucun problème, mais dont les époux ont refusé complètement d'aller voir le médecin. De faire les examens. De faire des examens. Donc voilà, c'est des femmes que j'ai rencontrées et qui en parlent souvent quand une femme a envie, parce que c'est des femmes, en fait, il faut les notifier, qui ont une soif de parler. Elles ont soif de parler, mais elles ne parlent pas à n'importe qui. Il suffit tout simplement d'avoir un lien commun qui est ces désirs de maternité là pour qu'elle s'ouvre, pour qu'elle parle à la personne. Donc voilà, c'est cette envie de parler que j'ai voulu mettre à l'image parce que quand on parle, en fait, ça fait une certaine thérapie. Donc voilà, de manière euh, globale, de quoi parle le film. Et c'est un film qui a été fait sur euh, des femmes, parce que tout simplement au Niger, quand un enfant ne vient pas, tout de suite c'est la femme qui est indexée. Et toutes les réprobations sociales, dans les rumeurs, euh, répudiation, mépris, soupçons tous les mots sont des mots en fait qui nuisent à la vie de cette femme-là. Et souvent aussi, l'homme, lui, il apparaît comme étant une victime collatérale. Collatérale, pourquoi Parce que toutes ces difficultés sont orchestrées par des femmes, donc il fait du coup de cet homme-là, souvent aussi victime collatérale. Parce que c'est les parents qui disent n'y va pas. Et c'est comme j'ai vu un monsieur que j'ai rencontré qui avait accepté au début de figurer dans mon film. Et à la fin, il me dit il n'y a aucune raison à ce qu'il le fasse parce que sa maman lui dit tu t'es mis en érection, tu es un homme, je ne vois pas pourquoi tu vas aller faire un examen avec ton épouse. Si elle n'est pas capable de donner la vie, tu la changes tout simplement. Donc voilà un peu en fait les propos du film. Donc c'est surtout tous ces témoignages-là que j'ai joués. Mais je ne me suis pas arrêtée, en fait, tout simplement au niveau des témoignages parce qu'il fallait un éclairage scientifique et religieux aussi parce que nous sommes dans un pays musulman quand même, laïque, mais à plus de la moitié musulman. Donc, je fais le tour de quelques médecins un médecin, euh, de, un spécialiste de la fertilité qui s'est prononcé par rapport à, la chose, mais aussi certains imams que j'ai rencontrés aussi qui ont apporté leur éclairage parce qu'il faut que le film à partir de cet instant-là, fasse école à d'autres gens qui ne comprennent pas ce qui c'est en réalité un problème de procréation. Parce que souvent, c'est des petits, il suffit d'un petit, d'une petite intervention, que ce soit au niveau de la femme ou de l'homme aussi, pour que ça soit déclenché. Éclairage religieux, évidemment, c'est à cause de cela que nous avons ici, dans ce studio également avec nous, Oustaz Aladou Yahya. Oustaz Aladou, que dit le Coran à propos de cette question Le Coran nous a donné, comme Allah le dit, Allah nous tape, et nous donne des exemples. Et Allah nous a démontré qu'il est le créateur et la source de la création, de la reproduction et même euh, de tout ce qui peut reproduire et qui contribue à la reproduction, comme nous venons de l'entendre euh, un peu de façon scientifique parce que quelque part il y a des organes qui interviennent. Tout ça c'est scientifique. Tout ce qui est spécifiquement scientifique et qui dans lequel il n'y a pas de shirk, c'est islamique. Ou qu'il n'y a pas de transgression d'une loi du Coran. Alors, et Allah subhanahu nous a, nous euh, a donné des exemples. Il a créé l'homme et sans père ni mère. C'est Adam, notre grand-père. Et il a créé Issa, à partir d'une mère et Allah a parlé dans Surat Tahrim. Donc il a parlé des femmes pures des femmes qui ont donné l'exemple des femmes qui ont la foi, qui ont cru en Allah. Et il a donné l'exemple de la femme de Pharaon, ensuite de Mariam, qui a gardé sa sainteté, sa chasteté, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a nanti par sa grâce de la naissance de Issa. Religieusement, Allah est la source de la création, de la procréation, du développement. Il y a des facteurs de magie aujourd'hui. On dit dans notre société que X a été ensorcelé ou c'est suite à la magie, il y a ou bien au mauvais œil. Tout ça, là, c'est des facteurs qui sont reconnus par le, ce qu'on appelle le CIR ou le AIN. Ce sont des facteurs qui peuvent intervenir. Mais euh, ils n'interviennent que par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Professeur, pourquoi le taux de stérilité, d'infertilité du moins est plus élevé chez, les femmes D'ailleurs même, est-ce que cette statistique, est-ce qu'elle n'est pas erronée dans la mesure où tout à l'heure Aïcha disait que les femmes ne font, les hommes ne vont pas faire les examens Oui, il faut relativiser les choses parce que l'infertilité chez la femme est la même que chez l'infertilité chez l'homme. On dit 40% chez la femme, 40% chez l'homme. Les 20%, c'est les deux. Les deux, ça peut arriver que la femme est bien fertile, l'homme est fertile, mais dans leur couple, il, y a difficulté à, reproduire. Il y, a des, phénomènes qui se passent. Soit tous les deux peuvent produire. Tous les deux peuvent marcher, mais euh, donc les deux dans ce couple-là, ils peuvent avoir la reproduction. Pourquoi on peut dire qu'il y a des couples incompatibles Il y a des, certaines incompatibilités, certains facteurs qui peuvent contrecarrer l'action de la reproduction. Exemple de facteurs Comme des anticorps au niveau chez, chez la femme, il peut y avoir des anticorps anti du mari. Hmm. Oui, donc ils peuvent euh, agir contre ces spermatozoïdes. Donc, euh, c'est comme, comme l'hostilité. Prenez par exemple, euh, bon, c'est un exemple peut-être global, sur la transfusion sanguine, je ne sais pas, tout individu qui reçoit euh, n'importe quel sang, hein, donc ça dépend de la compatibilité. ok Mais il est arrivé que cette incompatibilité, comme l'anticorps lié à l'anticorps contre les est très rare quand même. ok Ça, c'est un, facteur, ça peut arriver. La femme est bien fertile, le mari est bien fertile, mais dans ce couple, il peut Elle va sortir, elle peut avoir son enfant ailleurs, et le mari peut se marier et puis avoir un enfant ailleurs avec une autre femme. Ça, ça peut être mais ce qui est chez, chez, la femme, elle est plus sujette à avoir peut-être des phénomènes infectieux, des phénomènes inflammatoires qui vont agir sur sur son organe reproducteur. Oui, c'est plus fréquent. Comme je dis, si on prend 40%, ça, vient chez la femme, 40% chez l'homme, et les 20%, c'est dans, dans, le couple. Les 20% là-dedans, ça veut dire que la femme a difficulté et le mari a difficulté. Comme ils peuvent être une normalité de chaque côté. Mais dans le couple, il peut avoir des difficultés à reproduire. Est-ce que, est que j'ai fait comprendre oui, oui. Voilà. Donc c'est comme ça que ça, ça peut arriver. Il y a plusieurs éléments. Et les femmes, c'est elles qui viennent. Parce que c'est elles qui sont indexées, comme l'a dit l'achat, euh, C'est elles qui est interpellées parce que le mari a des possibilités d'avoir quatre. Celle-là, deux ans, en n'a donc il va prendre, il va prendre une suite. Ensuite, il va se rendre compte quand il fait la quatrième, ils sont restés comme un année, ça vient pas. Ah, ils vont se poser des questions, est-ce que c'est pas moi, c'est un seul Or, les femmes, deux qui, la première année, ça passe, il n'y a rien, donc elle va courir pour nous, voir pour ce, qui se passe, ou bien voir un guérisseur quelque part dans le quartier. Oui, le plus souvent, c'est, oui. Donc c'est comme ça, c'est en ce moment qu'on fait les investigations, on trouve peut-être qu'il y a une certaine anomalie on hein, la corrige, mais il se peut que le mari en a. Hein, euh, peut avoir peut-être les difficultés sont arrivées au même moment où le mari a transmis à la femme ou la femme a transmis à l'homme. Certaines euh, pathologies qui peuvent euh, agir sur les organes reproducteurs et modifier le cours du Comment expliquer le fait que dans un couple qui peut passer par exemple 30 ans de vie qu'après la 30e année, ils commencent à avoir des enfants. Bon, ça arrive, comme je dis, des phénomènes euh, comme dit, environnementaux. Il peut y avoir l'environnement peut changer. Hein? Ça arrive donc un coup pendant 5-10 ans, dans le couple, il n'y a pas. Et voilà que ça arrive un jour, comme par, euh, comme, le, par a dit, comme euh, miracle, c'est Dieu qui a décidé. Le jour-là, la porte est ouverte. Et voilà que ça arrive. C'est étonnant, il y a plein de cas comme ça. Il y a des, couples où le mari, voilà, ils sont là 10 ans, ils décident de prendre une deuxième. Avant que la deuxième arrive, voilà, la première va avoir une grossesse. Alors, qu'est-ce qui arrive Vous expliquez <laughs> Oui, nous-mêmes, on n'a pas d'explication à faire deux fois. <laughs> Aïcha, une femme est donc diminuée si elle n'est pas, si elle n'est pas mère. Cette interrogation découle-t-elle de votre propre expérience Oui, en fait, euh, elle vient de mon expérience personnelle, mais surtout aussi de l'expérience des autres femmes que j'ai rencontrées dans le cadre de ces films-là parce que je croisais des femmes qui me disent je me sens plus, j'arrive plus à marcher avec assurance dans mon propre foyer. J'arrive plus à tenir tête en face de mon mari parce que je suis diminuée en quelque, chose. En quelque, quelque chose. En quelque sorte. Oui. Pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, euh, au bout de neuf mois, quand un bébé ne vient pas, on commence à poser des interrogations. Parce que nous sommes quand même dans une société là où, quand en moyenne, on a 7,6 euh, enfants par femme et qui il n'arrive pas à mettre au monde un enfant, après neuf mois, on se pose plein de questions, qu'est-ce qui ne va pas Et c'est là où ça commence les calvaires. Donc du coup, il y a cette assurance qui se perd du jour en jour. Pourquoi Parce que tout simplement, au sein du foyer, il y a complètement il y a une absence de dialogue, même entre couples, pour la plupart des cas. Entre, entre, entre mari et femme. Entre mari et femme. Et, euh, pour les autres cas, on ne peut même pas parler parce que si, d'autant plus que la femme n'arrive pas à parler avec son époux par rapport à cette question-là. Et souvent, en fait, c'est les, les, médecins qui deviennent en quelque sorte nos conseillers matrimoniaux. Puisque moi, j'ai rencontré un médecin qui me dit, il y a des moments où il reçoit des femmes qui viennent, qui prennent un numéro, qui s'assoient, qui attendent d'autres femmes, et après, c'est juste pour rentrer dans le bureau, dire à leur médecin qui voilà, hier, on m'a fait telle chose, telle chose. Tout simplement pour aller pleurer, en fait, l'air parce qu'elles n'ont pas la possibilité de pleurer au niveau d'une autre femme qui a ses enfants parce qu'elle n'est pas capable de comprendre, de leur douleur. Il y a que les médecins qui entendent en fait souvent le cri de douleur de ces femmes-là, juste entre un toit et quatre murs. Parce que c'est les médecins qui sont là, c'est eux qui écoutent, c'est eux qui conseillent, c'est eux qui, qui orientent. Du coup, ils ont un, presque un double, voire triple boulot, casquette. Ils deviennent parents, ils sont médecins, ils deviennent encore conseillers matrimoniaux. Donc voilà pourquoi souvent il y a les cliniques qui sont bondées, des femmes qui partent là-bas et moi, personnellement, ça m'est arrivé, par exemple, quand on me dit, il faut que tu amènes ton époux. Si j'arrive pas, prochainement, si j'ai envie, je prends un numéro, je retourne pour contrôler euh, mes trompes, pour contrôler ceci, cela, alors qu'on m'a dit une semaine en amont qu'il n'y a rien. C'est d'autres femmes qui parlent euh, aussi de toutes ces genres de situations-là, tout simplement parce qu'elles sont accablées quelque part par des, des petits pics, quand surtout quand il y a des cérémonies. Et c'est aussi parce que tout simplement, euh, par, par moment, dans la famille, ça ne va pas. Même si l'homme ne parle pas, il est là, on se regarde, on se dit presque mot. Donc voilà, il y a des difficultés. Sans aucun examen, du simple fait que nous, les femmes, nous sommes les réceptacles de la vie parce que c'est nous qui recevons ça, la vie. Et du coup, la, femme s'est dit que, mais tiens, ça doit être euh, un problème qui vient de moi. Des fois, sans même aller consulter un médecin, tout de suite, on s'est mis dans la se culpabilise. Donc, ce qui fait que souvent, il fallait un vrai travail de psychologie aussi pour pouvoir amener la femme à comprendre qu'en fait, il n'y a pas qu'elle seule qui pouvait procréer. C'est comme l'a dit le professeur, par exemple. Moi, dans mon film, quand, quand docteur Mayna disait un de ses patients qui a amené une épouse, deux épouses, trois épouses, il lui a dit, un tel, fais des examens. Peut-être c'est toi le problème. Il a dit, mais attends, moi, j'ai trois épouses, j'arrive à les satisfaire toutes. Pourquoi je vais faire un examen Et il s'est trouvé qu'au bout de la quatrième épouse, il était bloqué il était obligé de venir faire un examen. Et il a une certaine euh, une maladie qu'on appelle azospermie. Vous voyez la, difficulté. Et dans mon propre cas, je suis arrivé à faire, euh, à tourner une séquence par rapport à la question de comment on fait euh, les, spermo, les spermogrammes. J'ai filmé toute la chaîne des, sperme comment on l'extrait, jusqu'à la, la dernière, comment on appelle ça, étape des examens en passant par le microscope et tout, mais le médecin m'a dit, il n'a pas envie que je mette ça. Je l'ai tourné du dos, j'ai filmé sans sa tête, j'ai fait tout. Après, il m'a dit, en fait, peut-être on peut comprendre du par sa voix de qui il s'agit. Tout simplement parce qu'il explique qu'il fallait, comment on appelle ça, extraire les spermes par euh, masturbation. Donc, pour vous dire combien c'est assez difficile, quand même au niveau de la santé, il y a une certaine barrière, il y a un certain tabou qui est là autour de la question. Donc c'est assez délicat d'en parler. Donc voilà pourquoi, si vous avez regardé le film, il y a beaucoup de procédés qui ont été utilisés, surtout la question de filmer la parole à travers une radio que les gens appellent pour témoigner de ah leur vécu. Et aussi, il y a des femmes qui ont accepté d'être filmées, mais de dos, tout simplement, parce que c'est une question qui est assez délicate. Trop tabou. Trop tabou et aussi les femmes ont peur en fait d'être répudiées parce que souvent dans des cas comme ça quand ça arrive tout de suite la femme elle est répudiée après un an, deux ans, elle n'a pas d'enfant, on la répudie, on amène une, deuxième. Hop, elle n'a pas d'enfant, on la répudie. Parce qu'ils ont droit à quatre femmes. Alors que la femme, elle n'a pas droit à tout ça là. Et des fois, même si elle fait des examens qui attestent qu'elle n'a aucun problème, mais elle est indexée tout simplement. Et la seule solution qu'on soumet à son épouse, c'est de prendre une seconde épouse. Troisième, quatrième. Et puis, la douleur s'enchaîne entre-temps. D'accord. Oustaz Haladouya, Dieu seul sait, justement, Aïcha le disait, le nombre de répudiations dû justement à cette question d'infertilité. Est-ce que l'islam autorise le divorce pour cette raison Bon, en fait, euh, comme on le dit souvent, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le miracle, c'est Allah seul qui le détient. On doit se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré à travers le verset que j'avais cherché, il fallait endurer l'insan anna al thumma al shaka Est-ce que l'être humain, normalement, est-ce qu'elle a le temps de méditer sur ce qu'il va manger Allah a dit, c'est nous qui faisons descendre l'eau en quantité suffisante, qui faisons pousser les graines, parce que même les graines, quand on sème, il faut voir. Donc c'est nous qui fendons la terre pour que ça pousse et on fait sortir la végétation, finalement des arbres fruitiers, etc., etc. Allah nous montre le miracle. De même que et la naissance, c'est quelque chose qui doit venir de Dieu. C'est une épreuve. L'être humain doit considérer ça comme une épreuve. Si on répudie une femme, mais le pouls aussi peut être éprouvé par ce qu'on appelle c'est la stérilité ou bien la fertilité carrément l'absence même de reproduction. On peut être, chacun peut être éprouvé. Ou on peut être privé que Allah nous en préverbe de la mort d'enfants ou des morts-nés, les de l'avortement. Donc la meilleure façon, c'est de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une raison euh, pour qu'on répudie une femme. On doit toujours compter, si Allah veut, il peut nous nantir d'une seconde épouse ou il peut apporter la solution par des moyens la solution par des moyens euh, qu'il a décidé Donc, il faut se fier à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut éprouver chacun, que ce soit par la pauvreté, par la maladie, par le retard de naissance, etc. Et même par la multiplication des enfants. Parce que c'est inné et on a la responsabilité de les éduquer. Donc un croyant doit se fier à Allah et et continuer à espérer à Allah subhanahu wa ta'ala sans maltraiter quelqu'un à cause d'une de ses incapacités, par à cause de, la transgression de Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, professeur, vous avez entendu tout à l'heure euh, Aïcha Pratiquement, vous êtes devenu des psychologues, si on peut le dire. <laughs> Comment est-ce que vous vivez cette situation avec vos, vos patients Quelques cas d'exemple Bon, les études médicales, en fait, quand on est médecin, on n'est pas tout à fait tout important, mais on est pratiquement tout, on est conseillé, on, est, <laughs> on est confident. Et ce que les femmes veulent nous dire, elles ne diront même pas ni à leur mère, ni à leur mari, ni à leur, hein. leur ami, hein, ah, aux médecins qu'elles peuvent se dire ce que vraiment euh, des situations où, même à leur mère ne diront pas ça. À plus forte raison à leur, mari. Ben oui, vous hein, voyez bien, à l'examen même, si on veut examiner une femme, elle ne voudrait pas que le mari soit là. Oui, il y a des femmes qui, veulent, qui, ont honte que, la, que le mari soit là pendant lors de l'examen. Ce qui fait que euh, c'est ça peut-être le fort de notre métier où vraiment tu reçois des confidences euh, tout à fait intimes que, que, que, médecin que la femme peut, peut, peut dire. ça à, va de ça. À qui revient ce, ce, rôle de briser ce tabou autour de cette question d'infertilité pour qu'il y ait plus de débats sur cette, bon, le, tabou, pour briser le tabou, il faut écouter le, couple. Séparément d'abord, ensuite faire la synthèse en présence de tout le monde. Oui, faut écouter la femme, il faut écouter le mari, il faut écouter parce que le passé vécu rentre dans, l'histoire de, celui qui vient demander de, l'aide, le traitement. Donc il faut savoir ce qui s'est passé avant pour prendre en compte et préparer le futur. Euh, donc c'est ça qui fait euh, que des fois il faut écouter individuellement chaque personne, tirer la leçon, demander certains examens, avoir la synthèse maintenant. Quand tout est rassemblé, rassembler les deux, voilà la situation. Oui, sinon ça ne pas. Est-ce que chaque fois qu'il y a une situation dans un couple d'infertilité, le couple doit-il faire en même temps l'examen ou bien qu'est-ce qu'il faut Parce que généralement, c'est la femme qui va en premier. Est-ce qu'il ne faut pas changer cette donne que immédiatement le couple va lui vers le spécialiste pour le, on, a commencé dès le départ, c'est la femme le plus souvent qui est indexée. Hein. Donc c'est elle qui se sent coupable. Normalement, au bout de 12 mois, dans notre société, c'est comme ça. Ailleurs, il faut que la femme prouve qu'elle est fertile. Hein. et dans certaines sociétés, je ne dis pas musulmanes, hein. mais en tout cas, la société, il faut qu'elle ait à reproduire d'abord avant de se marier. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et chez nous, c'est la femme qui, au bout de 12 mois, normalement, dans un couple normal, euh, au bout de 12 mois, un tiers va avoir d'enfants c'est normal. Sinon, il euh, faut attendre un an et demi, deux ans et demi pour que euh, s'inquiète. le hein. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Heureusement que chez la femme, le traitement est plus facile que chez l'homme. La femme qui vient, oui. Et pourquoi Parce que la difficulté vient que si l'homme a, un problème, c'est difficile de le, de le prendre en, charge. Le, traitement est difficile au départ. Mais la femme, on arrive à savoir. Donc, Parce qu'il n'est pas disponible ou bien. Non, c'est pas question, Non, c'est lié, même à, son, à son, organisme. Oui c'est lié à son organisme. Hein. S'il n'y a pas suffisamment de spermatozoïdes, c'est pas évident qu'on arrive à corriger cela. Or, chez la femme, si elle n'arrive pas à ovuler, il y a toujours des euh, de, d'actions, de, des traitements qui peuvent permettre de, de corriger cette, anomalie. De même que dans le cadre du transport de ces ovules, on peut agir chez, chez, chez la femme. Chez l'homme, le traitement médical est pratiquement euh, plus, plus, difficile que chez la femme, c'est sûr, dans le cas de l'infertilité. D'accord. Alors, quel doit être le comportement d'un couple après euh, deux ans de mariage sans le moindre signe de grossesse. ils ah, doivent venir spontanément. s'ils ne viennent pas individuellement, en tout cas, ils doivent se, décider à aller se faire examiner. Soit c'est l'un ou l'autre, ou les deux. Donc, c'est comme ça qu'il fallait. Il faut que le, les gens se posent la question. souvent, le mari n'a pas le temps, c'est la femme qui l'envoie. Une fois que c'est corrigé, si elle est lui, il doit venir euh, se faire, se faire euh, examiner, se faire explorer pour savoir ce qui se passe. Achat à travers votre film, est-ce que vous pouvez nous décrire la souffrance d'une femme sans enfant au Niger Ça, c'est Ça, c'est. Oui, je ne sais pas en fait comment décrire la difficulté. Bon. Parce que pour moi, quand une femme me dit qu'elle perd l'assurance, et qu'elle n'arrive plus à marcher comme avant dans son propre foyer, là, il y a un problème. Parce que c'est quoi, en fait, la perte de l'assurance, c'est tout simplement parce que la femme s'est dit que c'est à moi de donner un enfant à mon époux. Parce que souvent, bon, on le voit, on dit que ma femme a donné naissance, parce que c'est elle qui donne naissance. Donc, du coup, le fait que l'enfant ne vient pas, elle se sent tout de suite coupable de quelque chose. C'est ce qui fait en sorte que quand ça ne vient pas, il y a le repos qui est perdu aussi avec toutes les euh, réprobations sociales qui sont là, parce que vous savez, le milieu des, des femmes, c'est un milieu qui est assez difficile. Il suffit tout simplement d'avoir une femme qui est à côté, qui a une grossesse, pour euh, faire, comment on appelle ça, des indirects à travers ah elle. J'ai rencontré une femme qui me dit que même euh, un oiseau qui survole sa maison et qui chie par hasard, sa coépouse, en fait, prend ça comme étant, comment on appelle ça, une occasion de dire que, de s'adresser à l'oiseau qui est dans le ciel pour tout simplement lui dire tu ne sais rien faire qui engloutir euh, de la nourriture et chier pour s'adresser à elle parce qu'elle n'arrive pas à donner la vie. Et j'ai rencontré aussi des femmes qui me disent par exemple que c'est les maris en question qui les appellent quand le mari dit complètement à son épouse que tu ne vaux rien, ton ventre est maudit par exemple. C'est des situations comme ça et quand on sait que la meilleure épaule pour une femme c'est l'épaule de son époux et quand elle perd cette épaule là, mais c'est tout son monde qui s'écroule. C'est une difficulté. Et comme par exemple la femme qui, au bout d'un moment, juste parce qu'elle n'a pas vu ses règles pendant un, deux ou trois jours, elle se dit qu'elle est enceinte et qu'elle commence déjà à sentir les symptômes. C'est quelque chose que j'ai vécu. Et quand je vois, quand je m'adresse à d'autres femmes, ils me disent que c'est les débuts. On a vécu pareil parce qu'on s'est dit qu'au bout de deux, trois jours de, de retard de règles, on est enceinte et on commence à sentir les symptômes de, de la grossesse comme envie de vomir, on a des nausées et puis on a tout de suite envie de manger quelque chose, des euh, de, comportements inhabituels. Tout ça, en fait, c'est des problèmes psychologiques que la femme n'arrive pas à gérer toute seule. Et c'est en ce sens qu'elle a vraiment besoin d'une épaule. Et quand l'épaule du mari perd, mais elle perd tout simplement et c'est son monde qui, s'écroule. C'est pour ça souvent on s'accroche à d'autres femmes qui ont le même problème parce qu'elles sont les seules qui sont capables de se comprendre c'est comprendre au euh, en dehors du médecin, bien évidemment, qui mm. est en tout, comme l'a dit le professeur, qui devient un confident, un parent, et qui devient une épaule, qui devient en même temps un conseiller matrimonial, parce que c'est lui qui dit, essaye de le convaincre, essaye de lui prouver qu'on n'est pas en train de chercher un coupable, mais c'est pour situer le problème. Tu vois, des trucs comme ça. Et donc, du coup, c'est toutes ces difficultés-là, en fait, qui vivent euh, les femmes. Pourquoi vous dites qu'avoir un enfant, c'est trouver sa place Sa place, mais où sa place au sein de la société, sa place au sein de sa famille aussi. Parce qu'il n'est un secret pour personne. Par exemple, quand on parle de la question de l'héritier, quand une femme n'arrive pas à donner un héritier à son époux, c'est un sérieux problème. Et elle n'a pratiquement pas de place. Parce qu'elle est, si vous voulez, c'est comme une chemise qui est usée. On pouvait s'en débarrasser à n'importe quel moment. Donc, ce qui fait qu'elle n'a pas de place au sein de sa famille d'abord parce que il suffit d'avoir une autre épouse qui vient et si par chance cette seconde là a un enfant, mais tout de suite l'autre elle perd sa place. Et au sein de la société aussi c'est pareil. Quand au bout de euh, en amenant une femme en guise de revoir, on la demande un autre rassemblement au bout de neuf mois quand on fait allusion à l'arrivée d'un bébé et que ça ne vient pas, ça tarde à venir et du coup en fait elle s'est met dans un rythme. C'est une douleur assez rythmée parce que de tous les côtés, elle est accablée. Mm. Il y a, le, mari qui veut avoir un enfant, il y a les beaux-parents qui veulent avoir un petit-fils, il y a les amis qui veulent tout simplement venir bouffer aussi. <laughs> oui, bouffer mais, mais, à quel le rassemblement. Quand est-ce que tu nous invites à venir manger C'est des choses, souvent, il y a des gens qui le font innocemment, sans savoir qu'au fond, en fait, ça blesse. ça blesse. Tout simplement parce qu'à un certain moment, elle se retire complètement. Et elle devient isolée, elle se dit que tout le monde me veut du mal, tout le monde m'accable, tout le monde me fait, alors qu'il y en a qui le font innocemment. C'est tout simplement, on a envie de la taquiner et qu'elle, elle est en train de vivre un calvaire. Et si aussi une femme qui se rend au marché pour acheter par exemple de la et qu'elle trouve une jolie robe d'une fillette, elle se dit, mais attends, le mois prochain, je vais tomber enceinte, elle achète. Elle commence à acheter jusqu'à avoir une armoire pleine d'habits d'enfants. Donc, à mhm. mon sens, ça devient un problème psychologique parce qu'elle est hantée par cette euh, envie, par ce désir de maternité-là qui tarde à venir et qui, entre-temps, fait couler de la salive, fait couler aussi, comme on appelle ça, du mot et fait en sorte qu'à un certain moment, elle, elle, s'écroule. Alors, Oustad Aladou est-ce qu'en tant que prédicateur, vous n'avez pas un grand rôle à jouer sur cette question Oui, au fait, euh, il y a euh, vraiment des conseils à donner ou un rappel à faire. Et quand on est malade, c'est vrai, on peut se fier à Allah sans se soigner, ça a des récompenses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Demandez à ceux qui ne savent pas si vous, vous ne savez pas. Quand on a des problèmes, on peut demander à un spécialiste, on peut l'approcher. En tout cas, tant qu'il il n'y a pas d'interdiction légale où ça conduit, on va dans le shirk, on peut le faire, par exemple, un médecin mais à la limite euh, de la légalité des, des, recommandations du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous, voudrais profiter aussi pour rappeler un autre cas de figure dans le cadre du traitement. J'avais évoqué les cas de sorcellerie, du mauvais œil. Il y a, par exemple, dans ce qu'on appelle la ruqya, qu'on connaît aujourd'hui, et c'est le Coran qu'on lit sur les malades, ou de la médecine prophétique, il y a des jeunes qui épousent des femmes, nous le savons traditionnellement et cela c'est une vérité. Ils peuvent injecter tout un tas de sorcellerie. C'est ainsi que on peut avoir la femme peut avoir la fertilité ou bien encore des règles incessantes. Elle peut même avoir l'impression d'avoir conçu, mais ça disparaît. Ou encore d'autres, tout un tas de problèmes. C'est toute une liste, tout un tas de problèmes. Dans ce genre de cas, après la consultation médicale, parce que ici, généralement, il n'y a pas de clichés à présenter, il faut faire les deux. On fait la visite médicale et après, on suit ce traitement. Parce que ici, généralement, c'est les mystiques euh, en tout cas, toutes les informations qu'on a, vous pouvez voir la personne, elle souffre de maux de tête, elle souffre de certains problèmes un peu partout. Et parfois même, on dit, quand on l'écoute d'un point de vue symptôme, c'est le diabète ou bien c'est la tension. Mais quand concrètement, après les examens, on voit qu'on ne voit rien. Bon, ça, ça relève du mystique. C'est permis de se traiter. Un homme avait demandé au prophète Mohammed sallallahu nous avons l'habitude même d'utiliser des choses, ça à dire comme des faits, des traitements traditionnels que nous avons trouvé nos grands-parents en train de faire. Il a dit, vous pouvez le faire, mais sans le shirk. Donc tout ce qui est objectif, il n'y a pas de cirque ou il n'y a pas d'introduction comme quelque chose d'alcoolisé, il faut se traiter. Et l'autre élément, ce n'est pas la peine en tant que croyant de reprocher à quelqu'un. Donc ce n'est pas la peine quand quelqu'un ou quelqu'un est éprouvé par cette situation qu'on lui reproche. Nous aussi, Dieu peut nous éprouver que par quelque chose qui dépasse cela. D'accord. Professeur, dans certains cas, existe-t-il des, traitements Oui, les traitements, il y a les résultats des traitements, la guérison en fait, c'est ça C'est l'objectif, c'est ça hein? bon, Le plus souvent, quand les femmes viennent, disent qu'elles ont mal au ventre, en fait, elles ne disent jamais qu'elles sont infertiles. Le premier mot qu'elles disent, elles ont mal au ventre vous aurez tout, pour explorer tout, machin. Vous, madame, vous n'avez rien, mais qu'est-ce qu'elle est le problème ce que c'est. Oui, oui, oui, c'est pour avoir d'enfants, en fait. Elles disent jamais qu'elles viennent pour avoir d'enfants. Elles disent moi, pense qu'il y a quelque chose dans le ventre qui les empêche d'avoir. Donc le traitement, bon, ça dépend des de cas de figure, des indications. Hein. Hein? Donc il y a plusieurs euh, éventails de traitements. Ça dépend de la cause sur laquelle il faut agir. Chez la femme, chez l'homme les indications, qu'est-ce qu'on peut dire C'est la femme qui n'a jamais eu d'enfant ou qui n'a jamais. En fait, l'infertilité, ce n'est pas pouvoir avoir une progéniture qui naît normalement. Elle peut, peut concevoir, mais ça s'arrête au bout de 3-4 mois. Et donc, elle devient infertile. Elle n'arrive mm. jamais au bout de, ce, de, de, de, cette reproduction. Qui, et donc, le, résultat final, c'est un être qui naît à partir du couple. C'est ça le, machin. Donc, elle peut commencer plusieurs, elle peut avoir 10 grossesses, mais les, les 10 cas, elle n'arrive jamais à terme, ça, ça, ça, ça ou ça s'écroule l'avortement, ou l'enfant meurt, ou elle n'arrive jamais d'avoir à avoir l'enfant. Donc ça, ça ressemble à de l'infertilité. Elle n'est pas fertile, ça, peut être, ça peut être dû au couple, ça peut être lié à la femme ou, le mari. on peut agir où dans le cas de l'infertilité chez la femme. Si on trouve la cause, là, on la traite. Une dernière question pour tout le monde. Quels sont vos conseils à l'intention de ces couples et surtout de la communauté on n'a pas les moyens deux fois de traiter certains cas difficiles, alors qu'ailleurs, avec l'assistance médicale à euh, la procréation, on arrive à aboutir donc à, la, reproduire chez dans un couple où, sur le plan naturel, spontanément, il ne peut pas avoir d'enfant. Mais on arrive à agir là-dessus. Dieu a dit, donc le, le, le, chèque, euh, a dit, grâce à Dieu, Dieu qui a transmis donc, la connaissance à l'homme, l'homme a réussi à avoir certains remèdes, à certaines euh, situation. Euh, on arrive heureusement à corriger à corriger cela. Et actuellement, la médecine est chaque année, donc chaque année, le progrès scientifique fait que l'homme arrive en tout cas à agir dans, ce, dans, ce, dans ce domaine, à, le corriger. Euh, Dieu merci, le progrès scientifique a fait qu'on arrive à corriger beaucoup de cas où dans le temps c'était impossible spontanément sur le plan naturel de reproduire. en fait, tout à fait, je vais rebondir par rapport à l'aspect solution parce que dans l'arbre sans fruits, il y, a, deux femmes qui s'est parlé et une évoquait la question de la fécondation in vitro qu'elle a voulu faire et qu'elle a été découragée par quelqu'un qui trouve qu'il s'est osé, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu avait, comment on appelle ça, planifié en allant tout simplement chercher un remède. Bon, c'est vrai, et de par mes recherches, avant de faire ces films-là, quand par exemple en Europe, il y a des dons de gamètes qui se font, et il peut y avoir... Euh, un, enfant qui peut naître suite à une fécondation in vitro en faisant appel à un autre donateur euh, de sperme ou bien euh, d'ovule. Mais dans le cas, et j'avais aussi rencontré des imams, comme je l'ai dit, au cas où c'est dans un couple, en fait, légalement marié, et qu'il y a une certaine difficulté, comme les cas, par exemple, au niveau des femmes, on trouve des femmes qui, suite à des maladies, ont des trompes qui sont bouchées et qu'on n'arrive pas, comment on appelle ça, à traiter. Il fallait faire une fécondation in vitro. J'ai rencontré un imam qui m'a dit, en fait, Dieu n'a pas interdit d'aller chercher une solution là où elle se trouve, pourvu, comme l'a dit Oustaz, que ça se trouve dans le halal sans pour autant transgresser la loi de Dieu. C'est que beaucoup de couples ne comprennent pas, par exemple, quand on a un problème et qu'on commence à en parler autour de soi, tout de suite, il y a des gens qui nous disent faites attention. Dieu a dit il a honte de la femme à qui il n'a pas donné d'enfant. Mais bon, comme la médecine avance, chaque jour qu'il est fait, il y a des progrès, mais comme on appelle ça au niveau de la médecine, assez remarquables et qu'il fallait, à mon sens, en fait, aller vers euh, les deux savoirs, que ce soit le domaine de la médecine ou, comme l'a dit aussi Oustaz, aller de l'autre côté, le traditionnel aussi qui fait ses preuves, par exemple. Quand il y a là où, comme on appelle ça, l'autre savoir peut échouer et l'autre savoir pouvait avoir une solution, comme, comme il, a, il a fait cas de la magie noire, du mauvais et consort. Et on a vu aussi, quand je vois dans il faut aussi les dire, c'est une certaine réalité. Il y, a, certains, par exemple, faux marabouts qui exagèrent, qui prennent, comment on appelle ça, et qui, arnaquent les femmes. J'ai vu le cas de Kara de Kiyashi qui nous parle d'un marabout qui l'appelle complètement, en fait, à aller, comment on appelle ça, coucher avec elle en lui disant qu'il a le remède au bout de son pénis. Vous voyez, c'est des trucs comme ça aussi. Mais il fallait des vrais marabouts, en fait, qui ont le savoir et qui pouvaient appeler à ce qu'il y ait un débat. Parce que quand il n'y a pas un débat, souvent, c'est ce qui fait en sorte que les gens déraillent. Ils vont aller vers des gens qui n'ont complètement aucune connaissance par rapport à quoi que ce soit, ni du côté médical, ni du côté religieux. Et du coup, euh, il y a une certaine confusion qui s'est faite. Et la femme perd le contrôle du foie. Et aussi, il y a le couple qui pouvait être mis à, comment on appelle ça, à l'épreuve ou complètement... Et, s'écrouler aussi. D'accord. Oustaz, un dernier conseil Oui, j'ai lu un verset qui dit Demandez à ceux qui savent si vous, vous ne savez pas. Donc, en cherchant, je le répète, il faut être euh, conforme au Coran et à la Sunna. Et deuxième aspect, j'ai parlé de la magie du mauvais œil. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, verset 102, hum Même si on te fait la magie, la sorcellerie, ça ne t'arrive qu'avec la permission de Dieu. Donc ce n'est pas la peine de désespérer et de même quand on n'a pas d'enfant. La meilleure façon de chercher le faveur de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de revenir vers lui. Même pour changer notre situation économique, sociale de façon générale, c'est de revenir et vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc revenir à ses recommandations. Et Allah dit d'ailleurs même en termes de savoir, si vous craignez Allah, Allah va vous donner le savoir. Donc si vous voulez changer votre situation, avoir ses faveurs, il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, nous sommes donc euh, au terme de ce forum du, studio Kalangu. Euh, au cours donc des discussions, on a eu à comprendre que plusieurs facteurs, notamment congénital, nutritionnel, environnemental, sont à la base donc de, l'infertilité chez les couples. Il faut surtout, euh, en termes de conseils, consulter les spécialistes, religieusement, religieusement du, du, moins, revenir donc à Dieu aux recommandations de Dieu. Dans ce studio, nous avons eu comme invité le professeur Idi Nafiou, gynécologue, Aisha Maki, acteur du film documentaire Arbre sans fruits, sorti en 2016, et Haladou prédicateur. Nous sommes donc au terme de ce forum. Je vous donne rendez-vous pour un tout forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.